je voudrais en ces instants rendre grâce à Dieu et exprimer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour le grand honneur qui vient encore de porter à mon endroit en me désignant une fois encore comme celui qui devrait conduire le gouvernement en me nommant Premier ministre. Je voudrais à cet instant le remercier euh, pour euh, sa grande générosité à mon endroit. Le chef de l'État a également pris un second décret à travers lequel il me nomme Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et cumulativement, parce qu'il est venu un temps nouveau, le temps d'un mieux d'État, pour rapprocher justement l'administration des administrés, comme le chef de l'État euh, en parle très souvent à travers le concept d'administration de développement mais également pour accélérer les réformes, que ces réformes aient davantage d'impact uniquement pour le bonheur du peuple sénégalais. Et le chef de l'État a souhaité donc euh, commencer les grandes réformes administratives par déjà le haut de l'exécutif. Le ministre Maxime Jean Simondia vient de le confirmer ce dont il s'agit, c'est pour diminuer les goulots d'étranglement, pour que l'information circule davantage, pour que enfin toute la grande ambition que porte le président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent, et notamment à travers la phase 2 du plan Sénégal émergent, qui est le soubassement programmatique de son action pour ce mandat. Ce que le président de la République souhaite faire, c'est qu'il y ait davantage d'impact pour les populations non concitoyennes. Et il m'a demandé de préparer dans les jours qui arrivent, au plus tôt, après la composition du gouvernement, il m'a demandé de finaliser cette grande réforme pour aller vers le mieux d'État. Et cette réforme passera la suppression de l'échelon intermédiaire qui est euh, le Premier ministre euh, et une fois que ceci sera fait, bien entendu, la deuxième fonction qui vient de me confier prendra le dessus. Voilà pour ce que je voulais en dire aujourd'hui. Je vous remercie en réitérant toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Je voudrais à présent vous lire le décret numéro 2019-761 portant nomination d'un ministre secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Maxime Jean-Simon Ndiaye, est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel, fait à Dakar par le président de la République, Macky Sall. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Nyongi Santat di wax ne dañ président woñu président Macky Sall ñu ko ci gërëm mu dénkaat ñu li nga xamné moy poste premier ministre bi yon nak mu teg ci et mako ci ciy gërëm dénk ma poste bo xamné mi ngi nekk ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République ñew liggéey ci wétam continuer ci wétam ci ambition bi nga xamné ne ci réew mi yàlla ñu ko ci ñaanal yàlla may ko ci ndam ñu nag gouvernement bi nga xam ne moom lay nommé ah li tax tam wax na ma ko sànq mu jox ma ñaari mbaxana yooyu dafa fekk ma ko ciy gërëm dafa fekk mu am lu mu sumb lu mu sumb muy réforme boo xam ne dafa bëgg ci lii nga xam ne moom la ko réew mi yeesalaat muy confiance muy ci vote bi ñu delloo ko lenge yi dafa bëgg ci juróomi at yi lépp lu mu doon def bu fekkoon fukk la mu def ko ñaar fukk walla fanweer ci rythme bi ci également volume bi ci yaatuwaay bi te loolu lépp pour njaru njariñu askan bi ah moo tax mu ne dina def réforme boo xam ne incha allah bu gouvernement bi toogee ci bes yi njëkk loolu ah dinañ ko jébbal liñ ci xalaat mu dénk ñu vraiment ñu conduiral ko réforme boobu ba incha allah li nga xam ne nga xam ne premier ministre euh, échelon la boo xam ne ci ministre yi da leen di coordonné maanaam mooy euh, jawriñu euh, ministre yi président nag bëgg ne dafa bëgg vraiment bi yoon moom ci boppam mu teele ngay ba mu wóor ko ne li nga xam ne yéeneem bi mu am yépp ci réew mi incha allah yàlla dimbale ko ci mu matal ko moo taxit it